Dali Sans abri, sans famille. Dali Pour manger, on mendie. Dali bisanon. Baramu kene mo Wada Allah yaba yaba Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Vous êtes connecté un peu partout au Niger. Merci pour votre marque de confiance. Merci pour votre fidélité. L'émission Tous la Fada est une émission du studio Kalangu consacrée à la jeunesse nigérienne. Une rubrique consacrée à l'artiste nigérien se passe comme ça les samedis et dimanches sur cette émission. Dans un premier temps, vous vous rappelez certainement de cette rubrique qui quand même a fait une mention spéciale sur la COVID. La saison deux de cette émission ou de cette euh, rubrique parle de l'artiste, sa vie, ses œuvres artistiques. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste nigérien talentueux. Il fait partie de la deuxième génération du mouvement hip-hop, mais du Niger appelé aujourd'hui la musique urbaine. Il a certainement représenté vaillamment dans le temps les couleurs nationales, puisqu'il a évolué au sein d'une formation de taille. J'ai nommé Bloc S. Crew. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons sous l'émission Tous à la Fada en la rubrique L'artiste s'exprime, l'artiste Jawan. Jawan Lama, s'il te souhaite la oh, bienvenue tu vas, mon frère Tu ah, la forme ah. Bon, mon claque, mon égal. Alhamdulillah, Dieu merci. Tout se passe bien, mon frère, oh. Tout va bien, tout va bien, Dieu Ça fait longtemps que je t'ai pas reçu. Ça fait longtemps que je te vois pas à la télé. Explique-moi un tout petit peu comment est-ce que les choses se passent. Vous faites ah. partie de ceux qui ont commencé la musique ici ah, Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Dondi, merci vraiment euh, au studio Kalangu de m'avoir accueilli sur ce plateau. Merci à toi, Dondi, Et vraiment, Jawan de la formation Block Escrow, ça fait longtemps, c'est vrai, on ne s'est pas pris sur. Mais les productions continuent. Les productions, ça continue. Oh, les vidéos, ça continue. ça ne fait que sortir. Ça ne fait que de sortir. Jour comme de nuit. De jour comme de nuit, comme d'avant. Il n'y a même pas de souci. Parle-moi un peu de l'artiste. Moi, je te connais très bien. Oui, ouais, l'artiste a connu. Diawan, on sait que tu es déjà confirmé, ok Je ne devrais pas te poser cette question, mais il faut se dire aussi que en zone un peu partout au Niger, tu es kiffé à travers 46 radios partenaires. Alors certainement, il y a des jeunes qui veulent savoir qui se mhm. cache derrière Jawan. Alors qui se cache derrière l'homme Derrière l'homme, c'est à l'état civil. Moi, c'est Hassan Adamou Madougou. Et étudiant, élève du côté du CTASNI. J'ai eu mon BTS à et je continue à faire toujours des études en licence. aussi businessman. Et je suis aussi businessman. Ouais. Et de tout genre. Hein, et <laughs> Et puis nous. <laughs> Et puis tu es aussi Izuvutu. Ah. <laughs> Hmm. <laughs> On était avec eux la semaine passée, Diawan. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, sur cette émission, tu vas nous parler un tout petit peu de ta carrière, de quand est-ce que tu as commencé véritablement la musique Oui, bon, j'ai commencé la musique en 2000. 2000 Oui, en 2000, j'ai commencé la musique. 2000. Ah il y a euh, cela donc 20 ans Il y a cela 20 ans maintenant. J'ai commencé la musique avec euh, la formation qui, est toujours actuelle, Block hein? Escrew. Block Escrew, on va parler de cette formation, mesdames et messieurs. <laughs> Le groupe existe toujours Oui, le groupe, ça existe toujours. Explique-nous un tout petit peu. Il est où, Mr. Yukon oh, Mr. Yukon, lui, il est de l'autre côté de l'Allemagne, euh, comme il s'est marié là-bas. Ok. Il est marié avec un enfant. Bientôt, surprise, voilà. Voilà. <laughs> attends, eh, eh, vous ne me dites pas là que vous continuez toujours à travailler ensemble avec Mr. Euh, Yukon Avec la distance et tout ce qui vous ah, sépare ah, Avec la distance et tout ce qui nous ah, sépare. Ah, comment est-ce que vous faites pour travailler Il vient de temps en euh, temps, tu lui rends visite Il vient de temps en temps parce que là, il y a un mois, un mois et demi comme ça qu'il vient juste de quitter le pays. Mhm. Parce qu'il est venu, on a travaillé sur l'album qui mhm. devrait sortir euh, bientôt. Et on a profité à finaliser l'album. On a fait quelques ans des clips ah, donc Un album de Bloc Il y a un album de Bloc Escrew est en, cours. Et un album de Yukon Solo est en cours. Et aussi mon album Ah, c'est ça qui fait triple album de la formation SCREW Tu as ton album qui va sortir bientôt, l'album de Yukon qui va sortir bientôt, et l'album de BLOCK qui va sortir bientôt. Qui va sortir bientôt, c'est ça qui fait les triple albums en tout cas. Donc on est en train de travailler, ça dort pas parce qu'on est un ça Donc euh, c'est pour aussi épanouir la jeunesse. Et comme d'habitude, avec Block Escrew, c'est l'ambiance, c'est le message, c'est la conscientisation, c'est tout. Donc on est là pour cette jeunesse, on est là pour le pays, le Niger surtout. Wow. Avant bien évidemment le message que tu vas passer à l'endroit de tes fans, à l'endroit des fans de Bloquescura, à l'endroit défendre la musique nigérienne, j'aurais besoin un peu de toi parce que tu as ton style de malade que je kiffe. Tu vas poser ton style sur le beat ou on arrête le beat. Moi, je veux un truc de toi. je sais que tu es trop malade. un truc de la formation Block Crew. Ok, d'accord. Si tu es de barbare, que tu vas prendre quelque chose ou bien de quelque chose que tu vas prendre quelque chose. J'ai vraiment besoin de ton talent sur cette émission, Mister. Bon, Ok. Validé, validé. Validé. Validé, validé. Validé. On est validé. Baburuana, Baburuana. De ce que tu penses, Baburuana. Baburuana, Baburuana. De ce que tu penses, Baburuana. Continue à nous insulter. Partout où tu passes, tu racontes des ragots. je sais que tu chantes bien, mais tu as un autre style en toi que je kiffe. Je ne sais pas c'est quoi tu. Ah non, non, tu connais le style que je voulais. C'est le patois. C'est le patois. Est-ce que je peux avoir un peu de patois Ok, d'accord, euh, euh, sur cette émission, mais parce que c'est important en fait, parce que je sais que quand tu le fais. time. Breathe down, reading this man, no got time. Babylon, they it be man down, them they stand. Jah one feeling down, well, this man down. Choose blame, blame on this man, them. Baby, don't do be come and still stand them. Yeah. Dans le studio, on est là pour les bombes for them. Boum, boukalaka, boum, boukalaka, boum, boukalaka, boum, boukalaka. Nous sommes à la fin du premier angle, mesdames et messieurs. Nous allons retrouver l'artiste Jawan sur l'émission Franco Zerma demain. Même heure, même fréquence, ne zappez surtout pas en cette période sur les radios partenaires du studio Kalango. C'était Jawan, c'était la machine, c'était votre rubrique.